Monsieur le ministre, vous êtes un homme d'apaisement. Je crois que c'est l'une des raisons qui font que son Excellence le Président Macky Sall vous a nommé dans cette prestigieuse fonction de souveraineté. C'est pourquoi, sans maîtriser le fond du, conflit qui semble exister entre la délégation générale et les voyagistes privés, je voudrais convoquer avec vous le besoin d'apaisement, Monsieur le ministre. Nous Monsieur le ministre, Si sur 13 000 pèlerins. Les voyagistes privés ont convoyé les 11 000. C'est la preuve que ces voyagistes privés sont incontournables dans le dispositif. D'autant que la volonté exprimée par l'État est de se retirer progressivement du convoyage des pèlerins. Pour autant, la responsabilité de régulation qui incombe à la délégation doit être reconnue et respectée par les acteurs. La tâche n'est pas simple, Monsieur le ministre, mais par la discussion, on peut trouver le juste milieu qui permet à l'initiative privée de se développer, mais aussi à la délégation générale d'assumer sa mission souveraine d'encadrement du dispositif en relation avec les autorités saoudiennes. Monsieur le ministre, comme nous l'avons dit, nous avons kon waxtaan leen su ko defee solution dana am leneen li ma bëggoon a évoquer monsieur le ministre par rapport ak tourisme bu Sénégal démb ñu ngi woon ak sa naataango bu tourisme muy le ministre Alioune sar te li mu ñu wax ci tourisme bi nga xamante ne moom bëgg a def ci Sénégal jàpp nañ ne avec la nouvelle compagnie aérienne bu Sénégal tey jii problème bi ngeen am yàq euh, délégation générale ak voyagiste privé yi jàpp nañ ne pour suñu suqali suñu compagnie aérienne jaadu na tey fii ak déwén wala fii ak 2021 tay suñu eh, eh, eh, compagnie nationale bobu meuna a pèlerin sénégalais yëpp loolu japp naa aussi bokk na ci li développé li nga xamantene mom moy tourisme sénégalais bi donc vous avez tous mes encouragements et toutes mes félicitations et bonne continuation monsieur le ministre je vous remercie monsieur le président